dedans. Il faut enlever le truc dedans là. Le tissu là. Il y a quoi dedans Nothing. Il y a vu le trou là. Je vois le trou. Je vois le trou. Uh-huh. Pas je vais le ya dagora abin kai yayi bismillahir rahmanir rahim shimfida kai il faut dire bismillahir rahmanir rahim tu vas fermer sur avec tissu noir là bismillahir rahmanir rahim to wai dagora no shi kai mettre ta main là-dessus bismillahir rahmanir rahim wai kudin da damu kiran nan kowane lokaci haka nan dai tafi da kudi yana alfasirin shi idi ce qu'il va faire là, arriver à Abidjan c'est ce que tu vas faire toujours pour enlever l'argent là. Il mhm. dit si c'est à cause de Dieu que tu es venu, toutes tes vendre vont exaucer. Mais si c'est pas à cause de Dieu, ça ne va pas aller. بديع السماوات والارض ذاك العلم فانما يكون ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلق من تراب ثم قال كن فيكون انما امره اذا اراد شيئا يقول كن فيكون ويفعل كن فيكون يدي كن فيكون كن فيكون كن فيكون كن فيكون كن فيكون كن فيكون بسم الله الرحمن الرحيم سكشتان يسيا كن فيكون وكلين ناكيغا Il dit quelle l'argent ça là C'est CFA. 10 000. Ouais, 10 000. Não, aqui não. Estás a comer? É, é bem né, uhum. Não, aqui uhum. não. quarenta mil. Uhum. Não, aqui não. 60 mil. Uhum. Não, aqui não. 40 mil. Não, aqui não. 100 mil. 100 mil. to kullum abin da zai ta fitewa kenan idi toujours c'est ce que tu vas pouvoir enlever ah so shi wai cire hannun shi kai pas lever ta main là-dessus wai aikin muke yin nan aikin da muka yin nan kudin da muke ciran nan ba kudin a jifuna ba ya san haka nan idi il te demandé l'argent qu'il a appelé là uh-huh. est-ce que c'est l'argent de sa poche non non c'est pas ça. Il dit c'est ce qu'il a dit, nous demandé de faire qu'il est là Il dit veut que tout, propre, c'est pour ça qu'il est là amma muka yi muka bashi kare ya yi kuri da shi ya nan kuri so kamar kare ya yi proud il dit mm. fait pour te donner que tu es arrivé là voilà mm. faut pas trop prendre pour mettre sur ta tête tu vois, tu aux gens tu vas te montrer avec ça il faut pas que mm-hmm. moi même j'ai juste venu me chercher mm-hmm. je n'ai pas venu faire vagabondage je suis un père de famille je suis un père de famille il dit, l'emmener que lui, il est là. Mhm. Il veut que tu n'as qu'à devenu comme ça. Ah, je sais que je n'ai rien quelque chose à lui dire. On m'a trop, trop fatigué. On m'a trop fatigué. Allah. Même il y a quelque chose qui s'appelle Samiriou là. Ah, vraiment. J'ai fait la recherche de Samiriou Fatigué. Mhm. il dit que son cœur, mhm. tu ne prends pas là. Lui, tu ne donnes pas quelque chose comme ça pour aller faire quoi Non. Je sais que lui, il est quelqu'un, il est voyant. Il voit le cœur de quelqu'un. Souffrance que je suis dedans là, si c'est faux, vraiment, il ne faut pas que Dieu va m'aider. Il faut, faut lui dire. Je me dis, je Il y a gagner. kuma ka san zuciyar shi shi sa kake so ka taimake shi mhm. in dai abin ne eh, maganganun da ya zo faɗi duka in dai karya ne kar Allah ya taimake shi muna kara faɗi mai 要一些。